Ici au Sénégal, la musique c'est compliqué. C'est un handicap. Compliqué. C'est un handicap. Ici, même en termes de culture, euh, on ne musique musique on va même pas te prendre au sérieux. Et euh, tu as beaucoup d'années de, carrière derrière toi. Tu, euh, tu es un, un, OG. Moi, je les appelle les OG. Donc, les, toi, Viviane Chedid, etc. Vous tous vous appelez les OG. Pourquoi Parce que vous, vous êtes là depuis et vous ne cessez d'évoluer. Amoul Tarao. Donc justement, euh, ici au Sénégal, comment est-ce que tu l'as vécu cette, euh, euh, cette, pression-là, pression musicale Moi j'appelle une pression musicale. Au Sénégal, lui, une pression musicale. musique, non, Parfois c'est même pas vrai. Hein. C'est juste qu'ils veulent te faire descendre ou bien qu'ils veulent te rabaisser. Donc noir Warluniao, comme ça, abandonné et tout. Donc comment est-ce que tu as vécu ce parcours musical-là, fille Sénégal Je peux dire difficilement, mais bon. Mm-hmm. On ne se plaint pas. Alhamdulillah. a été fort. Vous savez, <laughs> à 50%, c'est un handicap de faire de la musique ici au Sénégal. Mhm. artistes ici, ma wax ko ci olof parce que tu es monde war la musique sénégalaise la culture sénégalaise malheureusement pour nous. On est comme des présidents. On représente nos pays partout. Mais bon, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Alors euh, un jeune qui veut faire de la musique ou bien un artiste sénégalais, hein, quand il fait un pas, il faut le saluer. Il faut vraiment l'encourager parce qu'il fait sa musique très très très difficilement. Ça, c'est moi qui te le dis. J'ai pas peur de dire ça parce que je me suis fait tout seul. Pour, euh, pour soigner une plaie, il faut bien frotter. Ça conduit Mettre l'alcool dessus. <laughs> Donc vraiment, il faut le dire. C'est pas par rapport à moi, mm. parce que j'ai eu à reconnaître un peu le chemin. je suis dessus. Je suis pas arrivé, d'accord, mais je suis dessus. T'es sûr Alors, que c'est Non, non, non. je suis <laughs> <laughs> déçu. Alors, mais il y en a qui ne voient même pas le chemin. Ah. Tu vois, la musique sénégalaise a besoin d'aide, d'accompagnement, de valeur. Mm. La musique sénégalaise a besoin d'être soutenue. D'accompagnement de qui Quand on accompagne musique Ceux qui doivent accompagner. Sénégalais Sénégalais Ceux qui doivent accompagner euh, le Sénégal, et lambda, les autorités, tu mm. vois Aider, acheter leurs truc, acheter leurs CD. Faire plus hein? de centres culturels. Voilà. Pourquoi pas Est-ce qu'il n'y a, y a, même plus, y a, a même plus une école de musique maintenant Si Il y a des écoles de cinéma, je pense. École de musique, mais à part l'école des, arts. Non, non, mais l'école des arts, c'est mort. C'est mort, hein, hein C'est mort. Est-ce que nous les pas Non.

même euh, moralement hein ah. parfois suñu famille sax de nous. non non li ngay ça sert à rien. c'est compliqué. Euh, li ngay amul et tout alors alors suis ku kenn ku def morceau. Mhm. génné ko single. ma single. kenn di damay sax dama xam ni daj ko. xam daj et attention nous avons am rupture musicien. waaw loolu moom ñu ngi am rupture musicien les musiciens ñi ngi daw di dem di dem dëkk kaaw ba yeneen bi non non ñu ngi am rupture musicien dinañ dem ba doo gis ku la jouer c'est très très dangereux c'est très très dangereux mhm. ouais donc vous avez bien écouté les conseils de Walisek soyez fort très très important soyez très très très fort et surtout il faudrait qu'on vraiment qu'on arrive à, à soutenir notre propre musique parce que si nous-mêmes on ne soutient pas notre musique, personne ne va le faire à notre place. Hein, vous aurez beau trouver un, producteur euh, des États-Unis, il va venir ici. Quand il va voir que votre propre public, votre propre Sénégal ne vous soutient pas, il va pas vouloir vous financer ni vous lancer. Donc les gars, euh, il est temps que nous aussi musique Sénégal, mais franchement. Alors, Oli, est-ce que tu as un petit mot que tu veux faire passer Et surtout, par rapport à ta carrière musicale, il euh, y a eu des moments difficiles. Il y a eu des moments où vraiment, par rapport à l'album Bizarre, là, sortir album bi quatre ans c'est pas rien dans quatre 4 ans ah, ouais les ans ça te fait quoi beaucoup de semaines hein. ça ça te dans les 300 400 semaines semaines donc euh, comment tu l'as vécu xam amandé et am na ay tu' où tu fait est-ce que y a des moments où tu t'es dit non, ma non non. t'as jamais eu euh, envie de laisser ton l'album j'ai voulu sortir avant mais vous savez nous on n'a pas l'habitude de streaming d'aller sur les plateformes, d'acheter. Le mhm. Sénégal, Sénégalais n'a pas, pas l'habitude d'acheter. Mhm. tu me l'envoies. Hein? Mhm. Il fallait que j'attends le bon moment par rapport sama xel je gàtt sama xel un rafet je <laughs> ma Je dama ni bi bon moment hein? moment moment que actuellement je ne xam nañ ñoom bu ñu dem demul jënd album bi kenn du leen fekk di leen ko jox. c'est-à-dire ak album bu Wally di génne fii mu neex dem ma ko. Mhm. wala album bu Wally di génne fii may kii ñaari CD may kii ñett kii jël dugal fii di yónnee non non mhm. di yéen a taxaw ñu ne dangeen bëgg jaay seen musique sénégalaise. Mhm. am ngeen artistes yu leen ko jaayal. am nañ caractère bi am nañ fulla bi.

Il n'y a que Youssou et Wally qui ont signé là-bas. Il mhm. a que Youssou international. <laughs> Ah non, a et Wally qui ont signé là-bas. Mhm. Pourquoi pas d'autres artistes qui ont signé C'est le moment, pour moi, c'est le moment. C'est le moment que le Sénégal reprend sa place. C'est le moment. Mhm. Alors, maintenant, c'est un choix. Moi, ce que j'ai à faire, je le fais. Je gagne bien ma vie, je suis bien est-ce que le nañ Sénégal ñun ñëpp ñu ànd ñu reconnaître ñu jox ñu tër bi ñu war. may gàddu fii kii gàddu fële keneen gàddu ñu yóbbu ku ñu neex muy dem le moment suñ ko bëggee ko ah moi je continue mon petit bonhomme de petit bonhomme de chemin dara. Mhm. alors il faut soutenir sa doomi Voilà, di ko soutenir. Mhm. C'est juste ça. Très, très, très beau conseil. Très, très belle parole, en tout cas, de la légende. Wally Balagosek. Alors, Wally, est-ce que tu as un petit mot de la fin L'émission touche bientôt, bientôt, bientôt à sa fin. Mais avant ça, il y a deux, trois, quatre petites surprises. Tout d'abord, je t'avais promis des pizzas. Ok. Donc, on va, on, va déguster des pizzas. Ils viennent de chez, de chez Pizza Time. Hein. Donc, euh, voilà, si eh. t'aimes les pizzas, c'est le moment. Hein. On, va, en déguster pas mal. Bonjour. Bonjour ça va, vous allez bien je sais que Ça va C'est de la part de Pizza Ah, merci beaucoup. Il <laughs> faut savoir que Walisek est assez, assez gâté aujourd'hui. Ah. Donc voilà, on euh, a pizza time aujourd'hui qui, euh, qui offre plein de pizzas. Je pense que là, si Walisek il mange tout ça, je pense qu'il peut dormir jusqu'à dimanche. <laughs> merci beaucoup à voilà, Merci, merci beaucoup, à Pizza à Toute la euh, hein? sont là. Si jamais vous voulez passer une commande, vous pouvez nous appeler. Alors, ouais. je, je vais te faire l'honneur de Ouais. Ah ouais, carrément. <laughs> Alors, je vous annonce que Walisek m'invite à manger une pizza. <laughs> direct. Alors, je sais pas si que ça, mais je suis très gourmande. Merci beaucoup. Ça, ça, fait plaisir, c'est gentil. Alors, j'ai reçu une pizza de Wallisek. Ah. une pizza de chez Pizza, Time. time. Ouais, Pizza Time, ah, ah, always on time, c'est vrai. Alors, moi, j'ai souvent commandé chez eux, ils sont toujours à l'heure, hein, très honnêtement. Rapide, efficace. Oui. Mmh. Ça, c'est la pizza kebab. Ok, pas belle. Hein. Euh, tu ngeen demee ngeen ngeen wax joie à that time. Euh, nañ nañ nañ seet si Waly Gaaw. <laughs> amul problème. d'accord. <laughs> Voilà. Distribution, alors, Walisek l'international du futur album international qui offre des pizzas. Voilà. Pizza Time au rendez-vous. Pizza Time toujours on time on vous laisse nos flyers. Allez. Merci vous voulez beaucoup. nous appeler Merci beaucoup. Cameraman Kai. Mhm. Merci, beaucoup. Merci à vous. Alors, c'est l'heure de la dégustation. Alors, ce qu'on va faire justement, histoire de, de, laisser Wally profiter de cette magnifique pizza est en train de déguster. Là, il vit sa best life. Là, il vit sa best life. On va faire une petite pause musicale le temps justement euh, de permettre à Wally de déguster sa pizza de chez Pizza Time. Donc ils sont hein. à Sacré-Cœur. Bah oui, mais c'est le temps aussi pour nous d'écouter Balmain. Balmain son là, il faut nous déguster. <laughs> Alors <laughs> C'est parti pour Balmain. Je suis avec la légende Wally Balagosek. Je vous rappelle que la sortie de son album international est prévue pour le 6 octobre 2023 album qui compte bien faire le tour du monde. Alors l'album est dispo, sera disponible sur les official stores Fnac, Amazon, Spotify, YouTube, iTunes Store. Vous avez 10 heures aussi. Apple, Apple Music, Cultura et Leclerc, c'est ça. Donc euh, vous pouvez tout simplement également aller sur euh, sa page Instagram pour cliquer sur le lien si vous souhaitez télécharger donc euh, l'album ou la précommande d'ailleurs si vous voulez précommander cet album là, sachez que moi j'en ai déjà commandé 10. <laughs> donc vous êtes en retard, faites vite, sinon je vais tous les terminer. Alors, voyez, est-ce que tu as un petit mot de la fin L'émission touche bientôt à sa fin que tu veux faire un coucou à quelqu'un, un petit mot de la fin, c'est un <laughs> Ton visage a même changé là. tout pris Euh, je dis merci à toute l'équipe de Vibe. Merci à toi. Mm, merci pour le choix aussi. Merci pour l'invitation. Merci mille fois. Alors, euh, euh, je vais dire aux Farah mm-hmm. à la diaspora, aux Sénégalais, à ma communauté. Mm-hmm communauté, la, la, communauté gambienne, mhm. euh, qui est vraiment importante pour moi. Euh, merci beaucoup. Merci. Mhm. Euh, le moment tant attendu est arrivé. Hein? Hein? Et on attend jour. Il reste quelques jours. <laughs> Donc il faut, il faut frapper fort parce que un album, ça s'achète. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Sinon, j'ai acheter tout l'album. Mais un album international, ça s'achète. C'est-à-dire, il faut que les fans achètent l'album. Parce qu'une seule personne ne peut pas faire plus de 5 CD. Mhm. Donc, cela veut dire que c'est bien contrôlé, bien fait bien tracée. Il te faut une très forte mobilisation. Il faut que tu sois soutenu, il faut que tu sois populaire pour atteindre tes objectifs. Je suis bu euh, album bi comme ni mu demee fii Sénégal ni ñuy album kon man kese mën naa jënd am mais album. yow da ngay jënd kii jënd kii jënd kii jënd ñu boole suñu suñu doole. parce que tubaab loolu la xam tubaab dafa xam ni kii doomu dëkk bi jàppale nañ ko jox nañ ko cër bi mu moom jox nañ ko gët bi mu moom moom ah mu ok mu doog la jox cër dolli ci cër bi mu la joxoon donc il faut ñu sottandoo ko dóorandoo ko parce que nit ku nekk mënoo jënd loobu cinq album kon ci carte yi kon xam nga ni tubaab bi mi ngi koy topp. Mhm. bu doon benn nit mën a jënd lépp kon noo xoolal da ngeen tëdd nelaw mu jënd leen lépp ndax am naa ko. Mhm. mais mënta nekk c'est-à-dire nit yi ñoo koy def dañuy bëgg xam ndax ñoom ci ki ñu jël seen ki ñu jël euh, seen xaalis def ko ci moom est-ce que jar na ko war a déet. Mhm. man nag. Euh, li wax euh, fara Faramareen ni ak Sénégal yi ak sama mbokk Gambie diaspora bi képp africain allez taper fort c'est le moment l'Afrique doit reprendre sa place ça a commencé le Sénégal doit reprendre sa place ça a commencé il faut taper fort alors si si toutefois wax na leen lo xamanteni c'est un peu dérangeant ci émission bi mm-hmm. j'en suis Oh, c'est Wally ah, c'est pas grave. <laughs> non, avec plaisir. En tout cas, c'était un plaisir pour, pour moi et pour l'équipe de Vibe de t'avoir aujourd'hui. Euh, très très heureux, un honneur pour nous justement d'avoir euh, fait la première émission sur la sortie de ton album. Et, euh, voilà, alors avant que, de te laisser partir, avant que je t'autorise à quitter mon studio, sache qu'on a une surprise pour toi. D'accord. Il se nomme Namin Sissé, il est de la Casamance, il habite aux Parcelles Asseni et il, a, il a quelque chose pour toi voilà il a fait le déplacement jusqu'à Vibe donc de de a fait envie. depuis il t'a cherché partout euh, il a essayé de, te trouver partout il a pas réussi aujourd'hui euh, il a eu cette occasion là donc Minsi, c'est le Todo Casamance euh, moi il habite aux Parcelles Assainies et aujourd'hui il a il a un cadeau pour toi si tu peux te retourner Et voilà. Et voilà, c'est un artiste peintre qui a. Voilà. Ah voilà le cadeau. Donc mm. voilà, que, que, ce fan mm. incontesté a euh. fait pour toi. Alors. Et au ne nouveau pas Beau-Fille, juste pour te rencontrer et te l'offrir. Ok. Lamine. Ah, le Jeff contact. Alors, très belle image aujourd'hui. <laughs> Un très beau cadeau donc de la part de ce fan là, qui est peintre, il s'appelle Lamine Sissé, il est de Casamance, il habite aux parcelles Asseni. Alors Voilà un très très très très beau dessin. Euh, plein de talent, hein, très, très artistique, un très beau dessin. Alors, c'est sur cette note, donc Wally, euh, ben, je te dis au revoir. Je t'autorise, enfin pas encore, mais je t'autorise à, te lever. Voilà, t'es déjà debout. Je t'autorise à te lever de ton <laughs> siège. Non, c'est bon, vas-y. Il bon. a pas de souci, ouais. Je t'autorise à te lever de ton siège. C'était un plaisir pour moi, encore une fois, de t'avoir en émission. Euh, je te souhaite bonne continuation. Sache que ton album fera un tube. Moi, je suis un peu voyante. Hein. Je vois l'avenir. <laughs> ça, ira loin, ça ira loin. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi de t'avoir euh. en émission. Et, euh, et, voilà. Tes conseils seront pris en compte. Aujourd'hui, tu as parlé à toute la nation. T'as parlé à toute la jeunesse. Ça, c'est important. Tu nous as dit euh, pas mal de, de scoops ceux qui ont retenu ont retenu. Il a balancé même des petits spoils. Il vous a spoilé. Si vous avez suivi, c'est parfait. Ce qui est sûr, c'est que moi, je vous retrouve lundi. Ah, on va nous quitter justement. Et on va écouter un petit peu encore une fois Wally Balagostek. Je ne suis pas comme eux, puisqu'il n'est pas, euh, <laughs> il n'est pas comme tout le monde. Hein. Vous l'avez vu, un album international, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Il a une très longue carrière derrière lui. Ce qui est sûr, c'est que moi, je vous retrouve lundi matin. Donc, comme tous les jours, je suis avec vous du 10h à 13h du lundi au vendredi sur la 102.3.